Bon réveil matinal à toutes et à tous. Merci de rester fidèles au programme de JKFM. Nous sommes le jeudi 12 novembre de l'an 2015, la une de quelques quotidiens qui nous sont parvenus. Nous démarrons avec la tribune. Ça se corse pour les présumés terroristes. L'imam Dao et compagnie transféré à Saint-Louis. Le voile intégral pro et anti pour se heurte. la une de enquête euh, audit des marchés de 2013 et 2014, Baldé et Willan épinglés. Et puis guerre des actionnaires à Wari, le juge renvoie les parties au nord 11 décembre prochain. Le témoin quotidien parle de graves problèmes de trésorerie de l'État. 60 milliards de recettes douanières manquent à l'appel. L'observateur, euh, détention et usage de chambre indien. Aida Patra arrêté avec du yamba. C'est également le titre à la une de Libération arrêté en flagrant délit de détention et de consommation de Brown. Comment Aida Patra est tombée. À la une de Grand Place, drogue, menace de mort, Wakam ivre d'insécurité, séisme dans le showbiz, Patra arrêté. À la une du journal Le Quotidien, sommet Union européenne-Afrique sur l'immigration, Maki ferme les centres de rétention. Sud Quotidien revient également sur le sommet de Malte consacré aux migrations. Macky sale de dire les Africains ne seront pas là pour la charité. À la une du quotidien Le Soleil, sommet Union africaine, Union européenne, Afrique de Malte sur la migration. Macky Sall propose une approche concertée. Zoom Info parle de guerre de positionnement, déballage tous azimuts, guéguerre à l'APR. À la une du quotidien LAS, vaste mouvement dans la police mal euh, réorganise les RG et les postes stratégiques. Le quotidien L'Évidence euh, parle de gestion d'amateurs, recrutement abusif, les ADS à du Sénégal comme à l'arène de lutte. Le journal Le Populaire, lenteur des chantiers de la nouvelle ville du pôle urbain, le Premier ministre tempête contre les promoteurs de Diamniadio. Et nous terminons avec euh, Réumi Quotidien, le troisième âge et les minettes, les billets de 10 000 francs comme sésame. Le Wolof, c'est dans un instant avec Ella Metaïdara. jërëjëf kon alaaji Birahim Touré mbokk yéen tam ñu ngi leen di bu baax a baax tribune yéen kaay lañu koy door rek lu jëm leen mbir muy gën di tar ci ñoom imaam ndaw ak ñeneen nañ leen rëbës yóbbu nañ leen kon ndar géej enquête yéen kaay ñëw ak ñun ci auditu marché yi 2013 2014 euh, Ablaye Balde ci maanaam dugg nag jàppal ne waa duwaan daal lañ doon indi kon manqué na lu ci tollu o benn fukk Euh, ay milliards l'observateur moom ñëw ak ñun ci Aïda Patra mi nga xam ne nag teg nañ ko loxo daal ak yamba libération yéene kaay nanu nag euh, Aïda Patra daf doon tux yamba mook benn xaritam euh, ca diwaanu Mamel ñu teg ko loxo grand place ñëw ak ñun sax ci euh, moom Patra moom nga xam ne nag ko loxo Le Quotidien yéene kaay moom ñëw ak ñun ci wàllu màngaan gi émigration Macky Sall nag centre yi nga xam ne kon dañu fay tëj ñi nga xam ne daal ñoom ñooy màngaan ak la dikk ak kaay Zoom Info bi nga xam na ci biir APR laas yéene kaay nañu police bi yëngu na ndaxte njiit la maal ci boppam organiser waat na RG yi ak yenn ci ay poste yoo xam ni stratégique évidence yéen kaay ñëw ak ñun ci yoreen gi nga xam ni moom la Pape Mayel Diop yor nag aéroport du Sénégal daal comme rek ku nekk ca arène ba euh, wàllub làmb le populaire moom ñëw ak ci premier ministre bi nga xam ne nag mere na lool ñi nga xam ne ñooy promoteurs yi liggéey ca jam ñaajo ndax yéex bi mu yéex réew mi quotidien moom ñëw ak ci troisième âge pa nga xam ne nag seeni moroomu sët daal lañu topp 18 ans 25 ans waaye it ñaar ak juróom